au Niger. Chers auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Niger sur Kalangou. Un rendez-vous hein, euh, incontournable pour vous tenir informé, divertir et connecter au monde qui vous entoure du lundi au vendredi sur les différentes ondes des radios partenaires du studio Kalangu. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias euh, Seno et à mes côtés Rabi Meikano pour la présentation. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Fanta Chamsou. Bonjour Rabi, comment vas-tu Je vais bien Seno et toi, ça va Super. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Maintenant, comme d'habitude, nous débutons cette émission avec notre flash d'information. Nous aurons une sélection musicale qui sera au rythme du gurumi et du kalangu. Vous aurez également la rubrique écho des régions, du sport et bien sûr le loti du desk femme du studio kalangu. Et oui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Mahamadou Salamé, président directeur général de l'agence nigérienne pour la promotion du patrimoine culturel. Nous terminerons cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors, préparez-vous à vivre une journée rythmée, riche en découvertes, en émotions et en partage. Restez à l'écoute, c'est parti. Sans plus tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar, Bonjour. Bonjour Rabia Mekano, bonjour Ali Moukela Le flash d'information à présent, le président de la République, Mohamed Bazoum, a entamé hier lundi une visite de 48 heures au Bénin, a annoncé la présidence nigérienne. Les entretiens entre les deux chefs d'État porteront sur le renforcement des liens de coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire, a ajouté la même source. Rappelons que le 11 juillet dernier, le Niger et le Bénin ont signé à Niamey un accord de coopération militaire cet accord consiste en un échange de renseignements, l'assistance aérienne pour suivre l'évolution des groupes armés, mais aussi des opérations militaires conjointes. Sur le plan économique, les deux pays s'activent à finaliser la construction d'un pipeline commun d'une longueur de près de 2 km. Au Niger, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste a infligé des sanctions pécuniaires à l'encontre de quatre compagnies de téléphonie mobile opérant dans le pays pour des manquements persistants dans leur offres de services malgré des avertissements selon cette autorité. Ces sanctions à l'encontre de Celtel Niger devenu aujourd'hui RTL, Zamani, Move Africa Niger et Niger Telecom ont été rendues publiques par la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste, Madame Betty Aïchatou Abibou Oumani, lors d'un point de presse qu'elle a animé hier lundi 17 juillet à Niamey. Le ministre euh, de l'Intérieur et de la Décentralisation, Amadou Adamou Souley, a signé vendredi 14 juillet l'arrêté portant liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection du futur sultan de Dosso. Ils sont 17 candidats à voir leur candidature validée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en vue de l'élection pour remplacer le défunt sultan Maïdanda Seydou Djarmakoy, Rapidement appelé à en octobre 2022. Rappelons qu'il était le 25e Jamakoy à partir de 2000 de la province de Dosso qui deviendra en 2010 un sultanat faisant de Maïdanda Seydou le premier sultan. C'est tout pour le flash d'information de ce mardi 18 juillet 2023. Merci bien Mokhtar, cher auditeur. Comme annoncé tantôt, nous recevons Mahamadou Salamé. Je rappelle qu'il est le président, directeur général de l'agence nigérienne pour la promotion du patrimoine culturel. Et avec lui, euh, nous allons parler du fonctionnement de cette agence. Monsieur Mahamadou, bonjour et merci de nous honorer de votre présence dans ce studio. Merci euh, Studio Kalangu. Euh, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je m'appelle Mahmoud Salamé, je suis président, directeur général de l'agence nigérienne pour la promotion du patrimoine culturel. ANPPC, Alors, avant de vous donner la parole, euh, cher auditeur, comme annoncé tantôt, notre sélection musicale d'aujourd'hui va euh, braquer les projecteurs sur deux instruments de musique traditionnelle, le kalangou euh, tambour à deux pots, traditionnellement appelé tambour parlant car euh, les joueurs peuvent, en modifiant les sons, imiter euh, les tons de nombreuses langues africaines, bien sûr. Ils seraient accompagnés en j'allais dire, il sert à accompagner les chants rituels, les danses, les fêtes locales et envoyer euh, des messages. On y est très attaché dans ce studio, n'est-ce pas, Rabi Oui, c'est nous. Nous aurons aussi du gouroumi, le son du gouroumi dans ce studio. Euh, le gouroumi, c'est un, instrument de musique traditionnel d'origine Hausa. Il quitte la musique sacrée avec la pénétration coloniale pour les musiques populaires et devient même compagnon des adolescents à mal de vivre et des jeunes bergers peuls dans certaines régions. Cet instrument est de la classe des cordophones et pentatoniques. Eh bien, avec le premier titre de notre playlist, nous envoyons notre bonne énergie aux chauffeurs et apprentis chauffeurs qui nous écoutent sur cette émission. Karamota de Almon C'est pour vous. Mesama bar mu kalan mota na l'instant, c'est euh, le titre Karamota de Almond Bourgie. Nous espérons que vous avez aimé. Alors, monsieur Mamadou Salamé, à présent, euh, nous sommes à vous. Avant de parler de l'agence ANPPC, dites-nous, euh, vous aimez cette chanson ou Elle vous rappelle quelque chose Oui, elle me rappelle beaucoup de choses parce que je suis un percussionniste des instruments traditionnels pour mhm. avoir même fait un stage dans le cadre de conservation des instruments traditionnels. Mm. Et parmi les instruments traditionnels, c'est les gourmis que je joue. Et j'interprète euh, beaucoup de musiciens solistes gourmistes, effectivement. J'ai beaucoup aimé ça. Ah voilà, <laughs> super. Aujourd'hui, on est bien accompagné sur cette émission. Ah oui, nous avons en tout cas euh, un homme de culture avec vous, hein. avec nous, euh, voilà. Vous êtes euh, le PDG de l'agence ANPPC Gargagia. Parlez-nous un peu de cette agence. Oui, euh, comme euh, je viens de dire, l'agence a pour l'objectif de faire la promotion de patrimoine culturel, valorisation des sports traditionnels et les jeux de société. Mhm. nous sommes comme nous avons comme attribution de faire la formation la concertation, euh, et, euh, ce qu'on appelle euh, organisation des événements dans mhm. le cadre de faire cette promotion. nous faisons des productions, nous faisons la recherche aussi. On fait des recherches sur les éléments du patrimoine en voie de disparition ou qui sont menacés. D'ailleurs, même c'est ça notre thème mhm. <laughs> de recherche parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants, mais il y a une menace qui est là mhm. euh, par le fait que on ne fait pas leur promotion et les autres sont en train de, les négliger mhm. parce que peut-être ils ne savent pas leur importance. Et euh, c'est à cela que nous avons, euh, nous sommes en train de de voir comment, avec la contribution de tout un chacun, des bonnes volontés, à travers euh, cette mission, voir ce qu'on peut apporter comme euh, contribution. Ok. Voilà. Voilà. Et depuis quand euh, cette agence a été créée L'agence a été créée depuis fin 2019. Ok. Fin 2019. Et nous avons fait beaucoup de, de des activités avec d'autres partenaires notamment si nous prenons l'université de Niamey, où nous avons vraiment installé la liste, la traditionnelle. Mhm. Nous sommes même à la cinquième édition avec euh, Yonoun et première édition récemment avec, euh, la, faculté de des lettres. Euh, euh, sous le contrôle de, des CACS, des CACS de la faculté qui est actuellement. <laughs> voilà, c'est bien installé. Et avec les ministères de l'enseignement supérieur, nous avons encore installé les universiades, donc qui fait la promotion des étudiants artistes et sportifs. Mhm. notamment sur le plan culturel, il y a eu beaucoup. Dans le monde scolaire, en tout cas, il y a une avancée à travers les événements qu'on organise avec euh, on les assiste pour faire euh, de, la promotion dans le mêmes sens. Ok. Alors, euh, quels sont les principaux sites historiques et culturels du Niger qui méritent d'être mis en valeur selon vous Voilà, donc euh, le Niger regorge beaucoup de potentialités culturelles. Exact. Notamment, de façon précise, si nous prenons les sites historiques, qui doivent être valorisés, visités, et reconnus par les Nigériens, sans exception. Nous prenons par région, si vous prenez Agadez, Agadez, euh, à travers la mosquée euh, d'Agadez, mhm, mhm. c'est vraiment un site historique. C'est vraiment intéressant pour nous. Les quartiers, l'ancien quartier d'Agadez, les sultanats d'Agadez. Mhm. Aujourd'hui même, euh, c'est un patrimoine reconnu par l'UNESCO. Vous voyez, mhm. ça fait la fierté du Niger. Si nous prenons Zander, il y a les quartiers Birnu aussi et les sultanats de Zander. Mhm. Vous revenez un peu à Tawa, il y a les deux grandes mosquées reconnues, mosquée de Yama, mhm. la mosquée de Salewa. Et ensuite, euh, si on prend un peu dans les déserts, il y a ce qu'on appelle euh, l'itinéraire culturel. Euh, la route des, des, déserts, la route euh, de, du sel. La liste est longue. Voilà. et à Lougou aussi, <laughs> ici à Dosso. Un pays, riche, hein, en, tout cas, il y en a euh, beaucoup. Ça, c'est seulement les biens culturels, hein, sans parler de ce qui est naturel, comme au parc de W, les Sahara et bien d'autres. Hein. Mhm. Voilà. Merci bien. Avant de poursuivre nos échanges avec vous, Monsieur Salamé, marquons une petite pause musicale. Il y a de la musique sur cette émission avec notre sélection musicale qui met voilà à l'honneur le kalangu et le gourmi. Un autre titre qui va sûrement parler aux professionnels du transport. On a une grosse pensée pour eux sur cette émission. Takenchana de Feu Abdou Kachikachi. ما يتعرض من ايه de Feu Abdou Kaché Dans ce titre, il chante les performances de Chana, la marque d'un camion qui servait dans le temps au transport des personnes et marchandises de Zander à Agadez. Il est originaire du département de Tanout, région des Anders. Il aimait bien chanter un hein, pour euh, les chauffeurs, apprentis chauffeurs également, les camions de transport de leur performance. Son groupe était constitué euh, de deux percussionnistes de Kalangu et, de des joueurs euh, de Gourmi. Poursuivons notre échange avec notre invité du jour, Mohamed Salamé, Bon, dites-nous, monsieur Salamé, quelle initiative votre agence a-t-elle prise pour sensibiliser les jeunes générations sur l'importance de leur patrimoine culturel et les impliquer dans sa préservation Vous avez commencé avec les universitaires, vous êtes allé encore plus loin Oui, effectivement. Euh, actuellement, il y a des écoles où j'enseigne le patrimoine culturel, même aux élèves du CP. Ok. Actuellement. Euh, parce qu'après l'université, nous sommes intéressés au secondaire, ainsi de suite. actuellement, même au CP, dans certaines écoles, je, l'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de comprendre cela. Et actuellement, je suis en train de concevoir encore un module pour l'histoire de l'art, pour l'éducation euh, éducation musicale et bien d'autres, et qui vont s'intéresser effectivement à notre patrimoine. Ça, c'est l'enseignement. Ensuite, nous sommes en train de renforcer les capacités des artistes euh, amateurs qui, dans leur conception, dans leur création, on les apprend comment tenir compte de notre patrimoine culturel parce que notre patrimoine culturel est riche, il est diversifié. C'est facile pour un Nigérien de faire des créations parce que mhm. partout, dans chaque communauté, dans chaque entité, dans chaque région, il y a des choses à prendre sur le plan matériel et immatériel de, notre réalité. Et à part ça, il y a des initiatives au sein de, notre agence. Par exemple, euh, nous sommes en train de préparer un, spectacle, euh, notre tradition, où vraiment on va découvrir certaines réalités que les enfants euh, n'ont pas connues. On va les exposer euh, sur la scène à travers euh, les différents décors et autres choses. toujours dans le même euh, ordre d'idées, nous avons beaucoup contribué dans la promotion de ces patrimoine à travers la radio-télévision du Niger, à travers l'émission Tam Tam mhm. Mhm. où nous venons pour passer le contenu de la recherche relativement aux instruments de musique, mhm. aux différentes pratiques scéniques de chez nous mhm. et aux différents décors de différentes communautés. Et nous accompagnons aussi les projets, les projets et la, des associations des jeunes mhm. dans la valorisation. Récemment, j'ai accompagné un projet euh, des jeunes dans le département de Flingue où nous avons nous sommes intéressés sur la diversité euh, comment cette diversité culturelle peut apporter la contribution pour la paix et le développement dans les départements à travers euh, euh, d'autres arts, d'autres pratiques, d'autres cultures et valeurs qui appellent à l'unité, qui appellent à l'esprit de tolérance et bien d'autres. Et c'était intéressant. Ok. Voilà. Alors, quel conseil donnerez-vous aux personnes qui souhaitent bien évidemment contribuer à la, à la préservation et à la promotion euh, du patrimoine culturel, que ce soit au Niger ou ailleurs euh, Les conseils, avant de donner les conseils, d'abord, nous avons constaté que y a ceux qui ne connaissent pas l'importance mm-hmm. du patrimoine euh, Alors que le patrimoine, je veux que tout le monde comprenne que c'est euh, une identité culturelle. Mm. Ça nous reflète. Mm-hmm. Donc on peut l'utiliser pour, euh, pour communiquer, pour amener la paix, tel que le théâtre participatif. On peut l'utiliser pour communiquer, pour amener un développement. Mm-hmm. Cela veut dire que si tout le monde comprend l'importance donc euh, c'est à nous de voir. Dans tout ce que nous faisons, il faut amener un aspect qui nous reflète mhm. culturellement. main mhm. Donc ce qui est intéressant, donc c'est de nous encourager, même si vous n'êtes pas technicien, mais mhm. c'est de venir voir ou venir nous encourager à travers des petites contributions, que ce soit moral, euh, morale, matérielle, financière, pour faire la promotion de cette culture parce que ça nous reflète, euh, c'est un honneur pour nous. Exactement, c'est notre identité culturelle. Merci infiniment, euh, Mahamadou Salamé, d'avoir non seulement répondu euh, présent à notre invitation, mais aussi et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente, journée. Merci bien, à vous Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous, je crois que c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Oui, Rabi, nous sommes mardi, nous allons parler de santé. Effectivement, aujourd'hui, la santé, dans notre rubrique santé, nous parlons de la diphtérie. En effet, Rabi, euh, la diphtérie est une maladie rare mais extrêmement contagieuse. Euh, c'est une infection respiratoire qui induit euh, des atteintes au système nerveux central, à la gorge également ou d'autres organes, entraînant la mort par asphyxie. plus de, détails avec Dr Rachid Issaka, médecin généraliste au micro de Zenabou Abdou. Docteur, qu'est-ce que la diphtérie Donc, La diphtérie est une infection hautement contagieuse, car c'est une maladie bactérienne qui est due à une bactérie et dénommée Corynebacterium diphtérie. Donc cette euh, maladie entraîne euh, une très importante morbidité et une mortalité. C'est une maladie qui, qui se transmet d'homme à homme. Donc euh, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. nous l'avons dit tantôt, la diphtérie est une maladie dans laquelle l'homme est le seul hôte. Donc euh, c'est une maladie qui se transmet uniquement de l'homme vers l'homme. Donc euh, cette transmission se fait à travers les gouttelettes de flux, donc euh, les gouttelettes respiratoires, donc qui sont extériorisées au moment des toux, des éternuements et aussi par contact physique très proche. Quels en sont les symptômes Donc les symptômes de, de la diphtérie, dans sa forme la plus classique, qui est l'angine L'ingène a à fausse membrane. L'incubation, après le premier contact euh, de, la bactérie, il s'écoule 1 à 5 jours avant l'apparition des premiers signes. À cette période d'invasion s'associe euh, un malaise général accompagné de fièvre, une dysphagie, donc une difficulté, une douleur à déglutir. donc après la, période d'invasion vient la période d'état qui est caractérisée par le maître symptôme. donc le signe pathognomonique c'est qui est la fausse membrane blanche. Donc à tout cela peut s'ajouter aussi une dysphonie à, la suite de laquelle peut faire une extension de la voix ou bien la voix qui devient rock. Comment se protéger de cette maladie Un vaccin anti-diphtérique a été découvert depuis 1910 mais la généralisation et l'effectivité de la vaccination n'est arrivée qu'en 1945. Donc le plus souvent, le vaccin de la diphtérie est associé à, d'autres vaccins, par exemple à, au vaccin du tétanos. Euh, c'est un vaccin qui est administré exclusivement par voie intramusculaire. Comment traiter la maladie Pour la prise en charge de, de la diphtérie. Donc tout d'abord, une antibiothérapie est préconisée, est impérative même. Tout d'abord, devant toute suspicion de diphtérie, il y a des impératifs à respecter. Tout d'abord, c'est l'isolement du patient, un prélèvement au niveau de la gorge pour examen. Maintenant, s'il s'avère que le diagnostic est positif, mettre en place une antibiothérapie euh, qui est faite à base d'amoxicilline, 3 grammes d'amoxicilline par jour pendant 14 jours chez l'adulte, ou bien de l'azithromycine, 500 mg, une fois par jour pendant 5 jours. Il y a aussi des traitements symptomatiques pour soulager le patient. On peut faire appel à, l'intubation nasotrachéale ou à la ventilation cas de, fausse membrane au niveau de la gorge. Peut-il y avoir des complications Ce qui concerne les complications de la diphtérie. Donc euh, même avec le traitement, un patient sur 10 atteint de diphtérie décède. Donc, euh, des suites de complications principalement cardiaques. Ces complications cardiaques constituent la cause de décès par diphtérie la plus fréquente. La bactérie peut libérer des toxines dans le système circulatoire et les tissus, et provoquant ainsi des lésions importantes au niveau des organes, principalement le cœur. Donc des complications cardiaques et des complications neurologiques à type de paralysie peuvent également survenir. Toute personne n'ayant pas été vacciné peut être contaminé par la diphtérie. Donc, entre autres, il y a des personnes euh, qui ont une prédisposition, si on peut l'appeler ainsi, qui ont plus de, chances de, contracter la diphtérie que le reste de la population. Entre autres, c'est les, les personnes alcooliques, les toxicomanes, les immunodéprimés. Donc, ce qui peut expliquer cela, c'est le fait que la bactérie responsable de la diphtérie euh, se comporte comme une bactérie opportuniste. Donc euh, ces personnes, les alcooliques, les toxicomanes et les immunodéprimés sont des personnes qui ont un système immunitaire déficient. Et donc là, la bactérie peut, profiter et pour euh, s'installer. C'était euh, la rubrique hebdomadaire, c'est nous. Nous allons encore une fois en musique et cette fois-ci il s'agit d'une reconversion musicale. Il était rappeur et aujourd'hui un spécialiste du gouroumi, Adam Lumula de Mamansani. soyayya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa a da mulmula rawa yan nijar duka a da mulmula rawa ko shegantaka a da mulmula rawa ba shegantaka a da mulmula rawa ta zaman lafiya soyayya da lumana lumana da farin ciki a da mulmula rawa yan nijar duka jama'an nijiyar salamu alaikum na ce ta sallama cikon musulunci take kuna ta na canda da farko farkon yin duniya da Allah ya aiko mala'iku a wajen dan adam magana da sun fara yi musa ita ce sallama ta zo tamka addu'a ba fatan arzikawa suka yi musa kuma ba fatan yin mukami suka yi musa ba fatan yin macutar suka yi musa ba fatan kari iko ko kyawo sun mishi fatan lumana ta ubangiji ta tabbata gwandan adam da mun rayuwar bil adam a nan sararin soyayya da lumana da aljanna nan kasa take sararin duniya ba ta wuce nijar ba yi domin addu'a adam mulmula rawa ko shegantaka kai kai adam mulmula rawa ba shegantaka adam mulmula rawa ta zaman layya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa adam mulmula rawa in ni duka shekaru barkatai kabilu sun kai goma suna zallami lahiya cikin al'adunsu ko da halin cuɗayya ta hanyar taka kasar da an kasan darajar dan adam tarihi kamar Nijar kwakwaran soyayya tsakanin bil'adama sai in ka zo Nijar har ma ka ga isa kamu da arziki mai dimbin yawa ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka kuma filin wasan takadin mulmula adamu da Et oui, Maman Sani euh, faisait du rap avec son groupe Mazan Il euh, utilisait surtout les instruments modernes. À partir de 2005, il commence à fréquenter le Centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya euh, pour apprendre à jouer les instruments traditionnels nigériens. C'est ainsi qu'il a appris à jouer le gourmi, le kalangu, le ganga et les gariya. Le Garaya Selo, après avoir fait les beaux jours euh, de Mazinfagé, un groupe de rap qu'il a fondé, il claque la porte et se fraye sa propre voix dans son style propre, les instruments de musique traditionnelle nigérienne. Voilà, pour ce qui est du titre, Ademoulmoula Moula s'est inspiré d'un rythme de la région de Maradi qui tire sa source d'une pratique ancestrale. Après les travaux champêtres, les jeunes de la région s'invitent mutuellement pour célébrer les récoltes. Après cette euh, belle sonorité musicale, cher auditeur, direction gendaire la capitale du Damagaram. Oui, c'est nous, l'écho des régions d'aujourd'hui nous conduit directement à Zender pour parler des cours de vacances. En effet, en cette période des grandes vacances, des enseignants dispensent des cours à l'intention des futurs candidats aux différents examens. Le reportage de notre correspondant à Zender, Ali Keita. Nous sommes au niveau du complexe scolaire Bachar Boussou, un des établissements où depuis le 10 juillet, un collectif d'enseignants s'est organisé pour dispenser des cours de vacances aux futurs candidats aux examens prochains. Je me présente au nom de Aïcha Salmana, élève en classe du 3e au CEG5 des Indes. C'est parce que pour que je me facilite et pour que vienne comprendre et vienne saisir. C'est en anglais celle que l'anglais me fait difficile. Avec le français, je n'ai aucun problème et les autres matières. Je me nomme au nom de Yassine Je suis venu de CSP Fogasso parce que je veux admettre au examen du BPC pour que je puisse m'améliorer en toutes les matières, pour que je puisse admettre le BPC. J'ai des difficultés en PC, mais je pense que cette année, je vais m'améliorer en PC. C'est la première fois. C'est moi-même qui a décidé. Cette année, c'est la classe de troisième. Je réponds au nom de Bentori Albarksen. Je viens de l'établissement CSP Saint-Joseph. Je suis venu au cours pour m'améliorer et avoir plus de connaissances. Toutes les matières, surtout les mathématiques. Oui, c'était avant, mais depuis que j'ai commencé ce cours l'année passée, je me suis amélioré. La c'est la raison pour laquelle je suis revenu cette année. Selon Amadou Tijani, un des enseignants, l'objectif de ce cours de vacances est de rehausser le niveau des élèves. Nous avons jugé utile, après avoir réfléchi longuement, d'abord le niveau des élèves, que nos élèves aujourd'hui est un peu bas. Donc alors nous sommes concertés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, un peu peut-être apporter notre contribution afin que ce cours, c'est leur niveau des élèves là soit un peu rehaussé. Donc on s'était dit qu'on peut organiser du cours de vacances, trois semaines ou quatre semaines, à partir du mois de juillet ou août, nous organisons ce cours-là, oui. Donc il y a d'abord les enseignants du primaire qui prennent en charge tous les élèves du primaire, du CP jusqu'au CM2. Puis maintenant, euh, nous avons aussi des enseignants du collège et ils prennent en compte maintenant tous les élèves de la sixième à la troisième et encore ceux du lycée aussi, ils prennent en charge ceux du lycée jusqu'en terminale AED. Il y a le français, d'abord mathématiques, physique, chimie, anglais. Mais cette année, on a jugé utile de ne pas inclure d'abord le SDVT et la géographie. C'est seulement ces deux matières-là qu'on a euh, qu'on n'a pas tenu compte cette année. on a à peu près une cinquantaine d'élèves pour le monde qu'on a démarré avec. Mais progressivement, les, parents amènent chaque jour les enfants qu'on pensait peut-être euh, tourner autour du total de 120 à 150 élèves par an. De l'avis d'Ishaou Malam Moussa, acteurs de l'éducation, les cours de vacances sont une très bonne, mais il faut savoir choisir les bons enseignants. Nous pensons que ces cours-là doivent être organisés par des enseignants expérimentés et qui doivent savoir les stimulus qui vont avantager ces élèves. Donc, ce ne sont pas des cours qui, doivent être laissés à la portée de tout un chacun. On est en train de constater que ces cours-là sont animés le plus souvent par des gens qui ne sont pas du tout des enseignants. Alors que c'est l'enseignant qui est censé savoir placer l'enfant sur des bases. Ah, qu'est-ce que l'enfant a besoin comme notion pour affronter telle ou telle classe à la rentrée prochaine. Il ne s'agit pas aussi d'étaler ça sur un long moment parce que l'enfant vient d'un périple de 10 mois de cours, voire 11 mois, Il a besoin de quelques semaines de repos pour pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Mais souvent, euh, ces enseignants-là, les objectifs qu'ils sont en train de formuler, ce ne sont pas des objectifs qui sont censés pouvoir aider ses élèves. Ce sont des objectifs euh, peut-être souvent lucratifs. Et souvent, même si on n'est pas enseignant, quand on, veut affronter une situation, euh, une question éducative, on doit au moins se faire appel à, un enseignant expérimenté. Voilà, on nous signale que notre, euh, notre correspondant, il est déjà en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Ali. Bonjour. C'est comment, ça va ah, ça va bien, le studio Kalangou. Super. Alors, comment se passent euh, ces cours de vacances Est-ce qu'il y a une forte euh, participation des, élèves Oui, euh, pour le moment, depuis le début de ce cours de vacances, il y a quelques élèves. Mhm. Ça fait maintenant une semaine. Il y a donc quelques engouillements donc on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'élèves euh, voilà, qui passent donc pour le cours des vacances pour le moment. Hmm, euh, ok. Euh... maintenant, parlons un peu de l'aspect pécunier. Est-ce que c'est des cours qui sont plutôt coûteux Est-ce que les parents peuvent se le permettre comment, comment, comment ça se passe à ce niveau et eh oui, à ce niveau, euh, Rabi, puisque chaque élève, eh, il faut qu'il doit donc donner quelque chose, payer eh, quelque chose. Donc pour ce cours de vacances, euh, ce sont des frais euh, autour de 5 000, 3 000 jusqu'à même 10 000 francs. OK. Alors, la différence, ça, se situe au niveau euh, des classes ou bien c'est juste, je ne sais pas, c'est les différentes matières qui font en sorte que, bon, d'autres coûtent 5 000, 3 000, jusqu'à 10 000. C'est quoi Pourquoi cette, cette différence de prix Bon, y a, vous savez qu'il y a ceux qui sont en classe euh, de 6e, il y a ceux qui uh-huh. sont en classe euh, de, 5e, donc euh, troisième, et 3e. Il y a ceux qui sont aussi en classe de terminale. Ah, d'accord. Donc, ça dépend, voilà, donc des matières et aussi du niveaux des classes Ok, d'accord. Merci bien, Ali. Merci bientôt. Merci beaucoup. Très Excellente bonne journée. journée. Voilà. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est l'heure du sport, chers auditeurs. Accueillons ensemble Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Alors, Adam, aujourd'hui, notre page sport euh, est spéciale à Dosso. Oui, Rabi, commençons tout d'abord par la Ligue de Taekwondo de Dosso qui a organisé ce week-end une compétition pour graduer les enfants ayant atteint la ceinture noire. Écoutons Soleil Isaka Sanda, président de la Ligue de Taekwondo, au micro de notre correspondante Nana Adiza Hassan passage de grade supérieur Ténéo Dosso et du premier jusqu'au troisième dan. Rwanda jusqu'à 42 candidats. Rwanda candidat Hinza kam mai e kakte Dosso. Donc bankan Rwanda ceinture troisième rouge ngano kakte premier dan. ban gwanda premier dan Ngano était deuxième dan bankan gwanda deuxième dan Ngano était troisième dan le eh, premier dan ir 27 candidats 27 candidats dira ir gwanda hinza Webor hinza din ihinka irno gane ise premier pom danga ka yanno kan ijire manto imete eh, ceinture noire igonda jiri wacin da hinka ya dinga pum no irwo irgane ise donc ngomo a ciro go wani kan iga hawmanti ibino lalle an kan sayan te do so kwarara irdi kan fisbillah kuna alhamdulillah do yi konda a evoli gumo parce que kuna dini nya mai mace a ma eh, region ay kura do sono kaka da bunya mai ga man sur place no igro zutay ka kan badan yan sir sene do so ay kul kan arango di irgo te tay ko norak do so lego irdayno go kan badan char kan bara kan gana amadu irga barim ko te nyame tgv gono kupuma ma sho gono kulu nyame no igite da zan kai no rusi se matana gite gite déplacement din agobore tabandu gungumu Adam, restons toujours à Dosso, cette fois-ci avec euh, le tournoi de basket-ball appelé Coupe Adamou Moumouni Jarmakoué. Oui, c'est nous. Pour commémorer l'anniversaire de sa mort, les amis du défunt organisent chaque année une compétition de basket-ball. Cette année, le tournoi a réuni les basketteurs de la région de Tawa et de Dosso. Écoutons Mohamedou Hamani Insa, président régional de la fondation Adamou Moumouni Jarmakoué de Dosso, au micro toujours de notre correspondante Nana Adiza Hassan. Aujourd'hui, il y a 14 ans que feu Adam Mouni nous a quittés. Tout le monde le sait. Il nous a quittés en se sacrifiant pour le pays. C'est pour cette raison, nous, membres de sa famille, ses amis et connaissances, nous nous sommes retrouvés pour la création d'une fondation à son nom. Nous avons créé cette fondation Adam Moumouni Germakoy à pas pour croiser les bras. Nous avons des objectifs à suivre. Premièrement, nous avons dit de contribuer à la consolidation de la paix dans le pays au nom de la démocratie. Deuxièmement, nous nous sommes dit de poursuivre les actions du défunt. On sait qu'il aime le sport et surtout le basketball. Et depuis hein, qu'il nous a quittés, nous organisons une compétition de basket à son nom. Tout le monde a mis la main à la pâte. Chacun a apporté sa contribution. C'est avec l'argent collecté qu'on a organisé la compétition. Dieu merci, c'est Tawa qui a remporté la Alors, chers auditeurs, c'est la fin de cette page sport. À demain pour un autre numéro. Merci bien, Adam, ma chère auditeur. Il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Aujourd'hui, le portrait de cette émission nous amène à la découverte de Munkela Zakari, un vendeur de médicaments traditionnels. Oui, il est âgé de 40 ans, père euh, d'un enfant. Munkela Zakari est natif de Korombi Kwara, hein, dans la région de Dosso. Il habite actuellement Niamey. L'activité principale de Kelou à Niamey est la vente des médicaments traditionnels au marché de Katako. Depuis euh, l'âge de 17 ans, une activité qu'il a héritée euh, de son père. Il explique euh, qu'il a beaucoup gagné dans cette activité qu'il exerce depuis plus de 20 ans. Voici son portrait avec euh, Oumu Umaru. a hinnu mu kan sunan aino go nan gora amma in dawo zai go zan kanai go aiwa banda kale ber kale wani in ga nan go moye ko ko goro so aino go nan gora ga nan go ba funandi zali se tare kutare ne go ai go katakura ai ka kai go galu bara gada sambu kanduwane kanduwane ya cin cindi ha ya cine kanduwane ay mi sambu kandi kala ay moni kulubay yani ga aran kwar albaraga na tubu ay kwar albaraga na tubu safa ne ko ko kan be kama ci bifo bifo na furo da na se sale do so bora na ag cin se ban kanno a banana go don don kalen mo yefu kri kidan go na ngase dika ka hakan da cine din ya cin turi wane ya cin nagite dubo ko ka kidan gaba dole ya cin safari to mun guna filan turi ya cin da ya cin ngani gidan cara ni no borasa am ko ngumoro do te turai wo danga bor bisa farai wo mm. manno aran ko ki sambu kande wala no ko ki kande wala no gote kara godwe wala jara i kande jara i gice ci kandi setu jam jara i funde bene yang nigeria yan i funde jara kande burkina yan igi fundi jare kande jare mo ila ware no gini cheche mi kande burangon kan kando ika kijina wo da chine de ande hay fu han fu ne gama igi cece gini sifilani wa yo kande ma kase na aina da ngene anim ko kande ma ni ma gweda ay no fu ma ay no nik tanu di bobu kulu bor fu ngor kan kak de bor ga kan yan kak ko kede ko te safari da di ne ma ta gani sen di jina wo kuna ay mo ga cini se han kak safar ni ani mo ni mo ko ni ma gweda ay no fu ma ni mo ko ni mo ni cece gar ko mi sa sirre no mi wanci be kunni gino kade ne di kan ni bo no hannuno di filana ya ay ayni non dan hon kuna e bin fo nim ko ni mate dodu filani ngana ke safar to sango kaydo il faut que ti suji da gomni yan kan du danga safar ner ngo wora zan ko jir wacin di wala alhamdulillah ay du zakara ne gay ba funa ta egunwa ay ga han fu borai arane gi ngwandi hay kuki cece ga gane gi murado tay saga to so safar ba yang warani baygu sende ara to sende woni bay kulano gon sende ay kulu no kan gi ne rano gon sende an fonu gudu an fonu sudu ya no ay kukane ni gi terano an fonu gudu ara sende amen sande wa sen city sande ma ka te nan fo ne gidi sande sande bande an fo kani no ka fo ti chen kan te futte gis de bore kan sina mai no gadi wallahi an ke wa gade ci wara din gona din de bo mis ku sina kan ni gite sino ni mi ce ci bor fo ka ha am chabin sai fo am chabin sai ba ture do ha ni ko kana bor ba mi ne tu no mi ne go go no go ta amma ba kan de ta e ngware wallahi ga ba men go hanin ce ci kite ba su tu no ni ce ci go an fo ta gubis de ko am ko te kan ba kan be wadi ibo bu kayan iba fo dugo wadi ngai wo shate amma yo alhamdulillah la kai. ay na don don ay wana na te amma yu mbo ibu mbo ido songo ay hinde no kiba kam gat ay hinde no be kuno siga te ne de no mm. di difo na kan de bor kan bor du asafari su bor bi safari de efekso yan e wani kan ga bande yan. gundu dori yan way bor hele de kayan se kai se yan de kayan se kai se kan ga sar kan ga te kusa ko do ras kai din wodi an kulo wodi alhamdulillah gi kisam wa se wa se bo ah Voilà, euh, merci bien Oumu Sinon, euh, on passe euh, au loti du jour, c'est ça bien avant le loti, on va encore une fois de plus déguster de la musique, cette fois-ci avec le studio Sapchap, un groupe qui fait un mixage d'instruments traditionnels rares, des machines de son de rue grâce à plusieurs générations de musiciens. Voilà, c'est euh, le parc euh, du studio Chap Chap. Euh, studio Chap ils sont, ils sont spéciaux, ils font des sons vraiment spéciaux. Mhm. C'est nos jeux. J'invite les auditeurs et toi-même à regarder le clip de, de cette chanson, le parc du studio Chap voilà, vous verrez des animaux, des têtes d'animaux. Au fait, le parc s'est invité en ville. Les animaux dansaient. Ah et euh, voilà, la population de Niamey regardait et rigolait. Il y, en <laughs> il, y en a, il y en a dans ce clip qui avaient peur, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant comme, euh, clip. Super. Alors, Rabi, on passe au loti du jour, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Dans le loti de ce jour, les femmes du studio Kalangu abordent un sujet délicat. La question de battre son enfant en public lorsqu'il fait une bêtise. Entre anecdotes croustillantes et réflexions profondes, préparez-vous à être captivé par ce dialogue empreint d'humour et de sensibilisation. Rakia Arimi et Samira Roifi. matso ki ji matso nan ga bugun ya ga cikin jama'a hakan ga ke yanzu baki nan ga ganin shi yanda yake gudu yana shiga ko ina ha yana ihu alhali muna wurin aure haba ke ko yago ne mana kuma haka daidai yake a wanga lokaci da ya kai ai ba shi bane dalilin da zai sa ya ringa irin wannan halin a cikin jama'a mutane ba sai su ce wai ban bashi tarbiyya ta kirki ba ce ba abin yana mini ciwo tsaya ba kenan kin fi damuwa da abin da mutane za su waɗe da walwala da jin daɗin ɗanki ba wannan ba ne kawai abin yana damuna dai ne ina ganin shi haka nan haba ba ke ba ke mini magana ba Kaka zaki ki ga irin wagga magana. Ke fi kowa sanin cewa yaro duka da wada yake kuma in sun kai wannan shekaru ba su da komai sai jin ƙarfi yawo suke so da banna kuma ba ɗanki na farko bane. Na sani Salmu amma kin ga wannan wallahi ya yi tashin hankali ya yi yan uwan nashi. Ai haka ne kowane yaro da wada yake zowa bai kamata ana daidaita su ba. Tun ɗazu magana ke yi kawai don na ɗan bigi wannan yara. Dole in yi magana don abun da kike nan ga yi ba daidai bane. Shekaran jiya kaɗai ke taimakaran su yarinya saboda malamar makarantar su ta buge ta alhali kuwa an hana a bugi yara a makaranta to ke dan me yasa nan ga bugun kananta da bai ma kai shekara biyu ba yanzu a ganin kike ya kamata in bar shi haka nan mutane suna kallon shi haba ke ko ya kamata ki samu hanyoyi daban-daban da zaki kwanta da mishi da hankali bugun shi ba shi ba ne mafita Ba ki san da kashi yana gigita yaro ba yaron da ya saba bugu tun yana karami ko ya girma matsala ɗaya zai ta jawo miki kuma wata rana kin jin shi zai karu dan a cikin kanshi duk abin da yayi bugun shi dai za a yi abin ya wuce sa wannan na iya haddasa har wani kiyayya ta shiga tsakanin ke da danki. eh hey, subhanallahi bari faɗi min wannan zancen gaskiya ce ko yaro in kina bugun shi ko da yaushe wannan na iya ja mishi matsala tare da sauran mutane musamman ma in kina bugun shi gaban jama'a kina da hanyoyi dubu don gwada shi don sa shi ga hanyar da ta dace yaro yana buƙatar ya yi walwala don ya samu ya girma cikin natsuwa bai kamata ba kina hana maɗanki wannan a'a ban na hana shi ya ji daɗin shi kawai nan daidan muna cikin jama'a ne kenan a ganin ki yaro baya da incin yayi wasa in yana cikin jama'a sai dai in yana shi ɗai to kin yi kuskure inda haka kike tsammani yaro bai san ba san da ya kamata ya bar wasa kenan duk inda ya zo gare shi wurin wasa ne in kamar in ki san da ɗanki yana da ƙinji kina iya barin shi gida ya hi da ki kashi nan cikin jama'a kuma kina bugun shi saboda yana na yana wasa kin san da ban san wannan duka ba bayan nazarin da nayi dai kina da gaskiya daga gaban nan insha Allah na bige shi ba gaskiya na gode da shawara da kika bani ba ki ba ya komai Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi euh, en compagnie de Maman Ada, il est journaliste traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, euh, on va découvrir ce que signifie le mot inondation en français et en Hausa. Maman Ada, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, sinon, le mot du jour, c'est inondation aujourd'hui. La saison des pluies s'est installée au Niger cette, cette année. Il n'est pas rare d'avoir des inondations pendant cette saison des pluies. L'inondation désigne la subversion temporaire par l'eau d'une zone habituellement hors d'eau quelle qu'en soit l'origine. Elle est souvent confondue avec la crue, qui est une augmentation plus ou moins durable du début d'une rivière ou d'un fleuve. Le réchauffement climatique ainsi que l'activité humaine ont augmenté le risque de montée des eaux et leur impact. Les inondations peuvent être la résultante de différents événements, des pluies fortes et abondantes aux tsunamis, en passant par une rivière en crue. Daoussa, Exactement, vous avez prévu aussi euh, <laughs> d'expliquer euh, en langue Hausa. Haka ne inondation ana ce mata ambaliyar ruwa, ambaliyar ruwa kuma tana haddasa bana musamman ma a lokacin damuna don haka hmm. ake so a kiyaye idan an ka ga ambaliyar ruwa a kiyaye da mutane domin a tsirar da su. Kaji abin da za a cewa. Ok. mon euh, merci bien, cher auditeur. Si vous avez d'autres euh, expressions ou mots dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek, en fulfulde, n'hésitez pas à laisser en un vocal, un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et euh, je crois que là, c'est le moment pour nous d'écouter ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. layi ma ka ci ahmed hamma gai bai da ahmad chef mbama kan go balla yara sai kalan irgo ga hangan gumo gumo gumo irgo ga man kani mu gumo zama ikan da bon fere kul irse gumo fa ikan da bon fere ikan da zan kai se bon fere ikan po e eh, bai kul da ikan garajo hangan walla ikan la se bon fere zama yi wai kwa da bore ga fo ikan hangan no sanni fo on ki ga te kan bon fere wani haidin ngo kani se gumo kalai ma cerce kane filan ka kama sanni sikana se mon sinen bora ka kama sanni kanga be jandi konu kanga dai gagu konu kan senda pacal pacal kul wallahi kalango karan dai da bucer ga wallahi kanir se gumo abori gumo da bon fere gumo gumo gumo gumo alfa dum dai kango ne da ballar se kwali kara ga fo gumo gumo gumo ai ga fo mai gari mba mo wana ita jo iri mai ga ta jo ga fo gumo gumo gumo ai ga sabata gumo farsano kan se yinal kaidum ba ma ai ga fo gumo To assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. To ni dai suna na Ibrahim mai sai daga gawai nan bakin tafi nan birnin Kwani. To gaskiya ina sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ina sauraron labaru da shirye-shirye waɗanda suka shafi matasa da ma shirye-shiryen da suke yi abin da shafi kasuwanci gaskiya ina karuwa sosai ina sauraron studio Kalangu. Kuma babban abin da ya ƙara birge ni da studio Kalangu alal misali idan kana son ka saurari studio Kalangu idan kana aiki da layin Airtel za ka kira lambar uku biyu biyar za ka saurari labarai ba tare da ka biya ko dala ba ina ga su shidda ne suke ba da wannan dama ga wata gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu eh to cikin masu gabatar da shirye-shirye na studio kalangu ina gaida mamma ara da dai dukkanin ma'aikata na studio kalangu muna musu fatan alkhairi Voilà, euh, repartons encore en musique. Le studio Chap Chap, on danse encore avec le studio Chap Chap. Et c'est le titre Le Parc. Euh, ces sons d'éléphants, euh, de singes, de lions que nous nous disons au revoir sur cette émission. C'est la fin de votre édition d'aujourd'hui, le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseni et moi-même, Rabia Mekano. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous. Le rendez-vous est pris demain avec un autre numéro. Exactement, à la technique, c'était tout simplement Amina Hassan et Fanta Shamsou à l'édition. Sur ces, Tchau, tchau. É